donc déjà je présente waat Nuru. alors man on va dire je suis bitcoin depuis 2017 donc dama dabu commencé à di xol si les lu jëm crypto monnaies après je me suis concentré très tôt sur bitcoin euh, commencé à faire recherche bind ay article di jappalé nit yi ñu créer ay portefeuille di leen wan tamit nan la jëndé nan la après ma commencé intéressé m'intéresser aussi partie technique bi donc commencé di di gëstu on va dire code source bi di gëstu lépp lu nekkoon ci repo bi après monter sama propre nœud commencer tamit di on va di débrouiller avec ak euh, fonctionnalité wu nœud pour mën construire ay transactions yu un peu complexe pour mën sécuriser ses bitcoins ak yooyu donc bu ma defee loolu si année bii nii ma dugg si benn programme Chaincode Lab donc Chaincode ça fait partie des quelques structures yi nga xam ne ñoom maintenir code bitcoin bi donc euh, imaginez benn structure boo xam ni bokk na si maintenir bitcoin bi nga xam ne c'est utilisé aujourd'hui par des millions de personnes donc ñoom dañuy def ay programmes yoo xam ne c'est gratuit mais bon dafa am ay sélection et bi ma ko jàllee si la ñëkk def benn programme benn premier programme de 5 semaines basé sur tout ce qui est développement donc autour de bitcoin parce que bitcoin dafa am benn langage de programmation spécifique bu tudd script am beneen tamit implémentation bu tudd mini script boo jàllee si loolu ma def beneen programme de cinq semaines sur le Lightning Network bi nga xam ne moom mooy couche supérieure à Bitcoin euh, boobu tamit cinq semaines da lay jàngal à peu près lépp lu jëm si nœud Lightning comment ça fonctionne transaction yi euh, canaux yi ak yeneen ak yeneen donc depuis quelques mois si là commencé di def donc Bitcoin Sénégal bii nii parce que objectif bi benn la mooy partager xam-xam bi li ma jot a jàng li ma jot a gis année yi yëpp partager ko en wolof parce que li ma gis mooy que principal frein ou adoption au bitcoin Afrique de l'Ouest francophone moins langue donc le fait que 80 à 90% de documentation documentation wala vidéo les les plus information open source disponibles sur bitcoin c'est en anglais je me suis dit autant dire que traduire en wolof Voilà, waxtaan c'est voilà sénégalais quoi donc sujet bi c'est un bitcoin égale 100 millions de sats alors lu nous ñu parce que c'est une question qui revient vraiment plusieurs fois qui m'est revenu plusieurs fois parce que nous bëri l'intitulé mais instant bii bini qui prix ou bitcoin bi instant on peut dire qu'un sénégalais lambda il peut pas se permettre d'acheter un bitcoin entier Lolo, c'est vrai aujourd'hui un bitcoin égale 66 000 dollars 66 000 dollars Lolo, on va dire que salaire annuel fini France Ben, bac plus 5 ni salaire annuel le fini 65, 66 000 dollars on va dire convertir en francs CFA c'est autour de 34 millions 35 millions de francs CFA non en fait je viens de voir ça c'est 37 millions 600 37 millions 618 449 francs CFA donc loolu ku ko nous ñu le bitcoin c'est 37 millions francs CFA Voilà nit ki di yeggali arrêté pour mais li que Ben bitcoin tu peux les subdiviser en 100 millions d'unités. Madame, de la même manière que bien billet de 10 000 francs, vous le tasse en plusieurs billets, en 10 billets de 1000 francs, justement, ou en 10 pièces, en 100 pièces de 100 francs, ou en 1000 pièces de 10 francs, Bitcoin, ben bi, men en 100 millions d'unités. Madame, nit ku nek nga am wala nga jot ay parti Bitcoin. Donc de cette manière, 0,1 Bitcoin, c'est égal à 3 millions de francs CFA. 0,01 Bitcoin, c'est égal à 376 000 francs CFA. 0,001 Bitcoin, c'est égal à 37 000 francs CFA, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela dit, tu peux posséder, 1000 francs CFA en Bitcoin. Donc, lol mo titre parce que je pense qu'il est important, surtout pour nous qui c'est un sang béni, nous depuis janvier, le bitcoin est passé de 30 000 dollars à 60 000 dollars. Donc, on va dire une augmentation de plus de 100%. Et ça, bon, a 0,1 bitcoin. Bon, dire il bénéficier si, <coughs> pardon, augmentation de 100%, bon, Mais bitcoin, si vous y a une fraction de bitcoin, il de s'y bénéficier aussi. Bon, on va dire de quoi il subir. Donc, l'idée, c'est de faire comprendre aux gens que, su fekkee da nga dem on va dire si benn exchange wala su fekkee da nga jàkkaarloo nit boo xam ne dafay jënd ak jaay bitcoin mais kooku mën na la jaay ay parti yu bitcoin mën nga jënd pour cinq mille francs de bitcoin si yenn application mobile mën nga jënd pour dix mille francs pour quinze mille francs vingt mille francs après couche deux ou supérieure bitcoin bi nga xam ne instant yi ni ñu bëri moom la ñuy def promotion mu ne bu tudd Lightning Network couche bob su fekkee dafa démocratiser wu dans le futur mën nga posséder sax ba dërëm ci bitcoin ce sera possible instant bii nii il faut mu am benn minimum Moi, je pense que le minimum bu nit mën a posséder wala di yónnee ak yooyu sans mu gaañu trop c' est ay cinq francs 5000 francs c'est équivalent à dix dix euros bon un peu un peu moins de 10 euros lu parce que réseau bitcoin bi tamit dafa am ay frais maanaam su fekkee nuuru dafa bëgg a yónnee Babacar euh, 10 euros en bitcoin dina fay ay frais bon frais la plupart du temps que les réseau bitcoin classique bi la autour de 1 voire un peu moins Ouais. donc sauf que da nga bëgg a yónnee ce sera quasi impossible parce que mineurs yi nga xam ne euh, réseau bi ñom ñoy valider bloc yi nga xamni fofu la transaction yi nekk mën nañ refuser genre frais ndaw yoy mais su fekkee nit koo xam day utiliser lightning network qui nga xamni couche supérieure à bitcoin transactions écriture comptable donc frais c'est quasi nul Bon, ce sera possible donc il faut que nit yi ku tu peux posséder des bitcoins ku tu peux posséder lu des sats donc dès lors que on ne parle plus de 1 bitcoin tout rond et qu'on parle de 0,000, lolu transformer en chiffre rond donc un bitcoin égale 100 millions de sats 0,1 bitcoin égale 10 millions de sats 0,01 Bitcoin égale 1 million de sats, et ainsi de suite. Donc satsi, c'est un peu le diminutif de Satoshi. On les appelle les Satoshis. Satoshis yooyu nous nous donc si Satoshi Nakamoto bi bon on sait pas c'est une seule personne ou un groupe de personnes on sait pas si c'est une personne ou des personnes indépendantes ou bien lié le gouvernement ou ben agence fédérale on ne sait pas mais daal en tout cas turbine le nifi utilisé utiliser pour euh, pour définir petites unités yi nga xamni ñom ñu représenter un bitcoin touron donc gros modo sama introduction mom du gudd parce que li rek la won quoi il faut que nit yi xam ku nek mën nga posséder une partie de bitcoin parce que tout très souvent c'est un frein nit yu bëri duñu bëgg a dugal seen xaalis ci biir da fay melni tamit nga jël or mën naa jël exemple boobu soo jëlee or da nga am lengo d'or lingots d'or aujourd'hui je pense que ça coûte vers les 1500 1600 dollars ou quelque chose comme ça je ne sais pas exactement le prix donc imaginons ça coûte 1500 dollars mais ben tëgg mën na jël lingot d'or boobu non, seyloo ko ba pare def ko ay petite partie yo, xamni, mën na jaay mais soo leen dajalewaatee nga seyloo waat l'en, mais nga dajalewaat l'en, nga def leen si benn euh, si euh, voilà nga defal l'en juste ben lingot ba mën nga ko d'or en tant que lingo c'est exactement pareil avec bitcoin donc voilà quoi après je sais pas ndax nit amgen am si vous a une wala C'est introduction c'est très rapide parce que c'était juste une précision à apporter après là bon vais essayer d'inviter Niti, comme d'habitude euh, on stage pour se faire dañoo questions, quoi ok man li ma ci yokk rapidement rek mooy par rapport at on sait que divisibilité bu monnaie propriété la pour monnaie qualité la bu ñu bu ñu soxla ci monnaie comparé suñ ko comparé ak dollar bi bu- bitcoin divisibilité niveau divisibilité bi mu am moo gën a poussé moo gën a sori sax que divisibilité wu dollar bi te divisibilité boobu mu am ci ci ci li li li favoriser li rendre possible rareté euh, bitcoin bi ci la bokk au fait c'est juste pour insister ci ni que euh, déjà qualité la ci ci monnaie lu ñu taamu ci monnaie la ba pare dafay dafa am lu mu apporter leneen loo xamante ni rareté bi nga xam ne moo moo def succès wu bitcoin bi aussi divisibilité bu extrême boobu moo am li ko rendre possible ci la bokk au fait effectivement merci si précision boobu noonu effectivement je pense que soo jëlee benn dollar mën nga ko diviser ba quoi jusqu'à 100 unités wala mille unités je sais plus wala nga jël euro dans tous les cas d'al kenn musul gis ben monnaie boobu cent unités hein là alors que là on parle de 100 millions d'unités tu vois donc c'est c'est encore autre chose maanaam ku nekk yow mën nga si posséder une petite somme ku que mën nga posséder disque ci yónnee jot tamit par exemple, un bi Moi, moi je pense qu'il est quasi impossible notamment du aux frais de yonner 10 dollars par virement bancaire que ko États-Unis qui ki y recevoir n'est que Sénégal je pense que là, c'est quasi impossible parce que déjà banque bi que yonner aux États-Unis ils la nar a le ci frais mais aussi banque bi recevoir au Sénégal lim la le chiffre, faylu ci frais dina pour 10 dollars coût transaction rek trop. voilà pour nous accepter ko waxatuñ nag yow bi envoyé les 10 dollars. exactement alors que si bitcoin déjà ak réseau on va dire classique bi lu ñu on chain bu bitcoin bi mën nga def genre transfert comme li ma leen ko waxee ça dépend juste si frais yi nit ki moom mooy tànnal boppam frais yi yi fay parce que loolu tamit c'est une possibilité maanaam bitcoin saa yu nit yi defee transaction en moyenne pendant 10 minutes transaction yi dañuy daje si benn endroit bu ñu woowee même pool endroit entre guillemets en attendant ñu leen di dugal si benn bloc mais pendant que ñu ngi ci même pool boobu noonu yeneen nœud yi dañ leen di jàllale ku nekk di vérifier est-ce que transaction bi ni ça respecte les règles léegi dès ko que na si même pool boobu noonu day dugg si bloc mais pendant que mu ngi si même pool boobu ñi nga xam ne dañoo am full node dañoo am benn nœud bitcoin ñoom ils sont capables d'évaluer transaction yooyu ku si nekk ñaata ngay dugal comme frais donc dinañ xam à peu près pour que sa transaction yow dugg si bloc bii nii di waaj a ñëw dans les dix minutes day xam yow ñaata frais nga war a fay su fekkee yàkkamti woo nag mën nga fay ay frais yu minime donc ça veut dire que yow tu es capable d'attendre pendant une heure deux heures trois heures et cetera mais effectivement élément bu important merci euh, Babacar grand Idrissa grand Madické en plus en plus visibilité boobu sax su demee ba atteindre yenn yenn valorisation yu extrême yi dafay jouer rôle bu bu ngande parce que dañuy daal di mën rabattre ci ci Satoshi au fait dañuy daal di fàtte même Hein, unité bitcoin da fay Satoshi da fay jël place unité bi bitcoin occupé actuellement nga xamné suñu waxé rek on passe automatiquement bitcoin dañ on passe automatiquement ci valeur su démé ba démocratiser wu nak de façon vraiment nga xamné un bitcoin da fay atteindre yenn niveau de valorisation Satoshi dañuy daal di jël rôle bi mu occupé actuellement dañuy dañuy dem sax ba mën nañu fàtte unité bu mag bi au fait c'est comme bu ñuy wax million at milliard au fait non lay dem si li nga wax dëgg la c'est rek laa si gis affaire bu intéressant par rapport li nga wax Twitter parce que dafa am benn il a souligné un truc moi, que je pense vers les années 2013 2014 si lañ une parité genre un bitcoin était égal à un dollar donc gaañ bi donc vous voyez euh, année boobu noonu un bitcoin donc était égal à un dollar ça veut dire que un dollar était égal à 100 millions de sats alors que un dollar égale 1000 et quelques sats donc peut-être que dans dem instant un dollar sera égal à un sats L'album ce serait la la mort du dollar mais si l'indium. donc euh, grand encore une fois c'est très très important plus bitcoin di jël valeur plus sats dit di valeur donc plus bitcoin di jël valeur plus on va même plus parler de 1 bitcoin 2 bitcoin on va parler de 1 un million de sats wala voilà 1000 sats peut-être même que les salaires seront libellés en sats dans les années à venir inchallah

waaw sëñ Nourou ñu nuyu nekk bu baax sëñ Babacar Lo ñu koy rek si Babacar ak ñi nekk si salon bi ñëpp euh, ñoom Morsin euh, Awa Lady Bijou ñëpp mami lii am na solo lool ndax euh, man mag <laughs> bitcoin moom mag mag mag dugal sa wuti sama bàttanu bopp mag ci te xel kom xel ak kom kom man noonu la yàgg na ko depuis 2013 pratiquement noonu la ko tuddee li ay wéccit la wéccit yi moom di lu jara lu jara bay xel tax euh, ngir nga mën am ben ben ben xel kom dina xaw a jafe tax ñun ñepp war nañu li si mën a fortaatu rek dajale di si denc am solo ñi ñu ngi nekk ne meeku baax merci beaucoup merci beaucoup bon am nañ ko tudd Jarvis Marc 42 ku yéeg fan dafa bëgg am dafa bëgg poser question wala dafa am suñu wax mu ngi nuyu. salaamaaleykum. Oui, évidemment. vu que euh, je suis une sorte de novice, de novice pardon, dans le domaine du, Bitcoin. Et il y a beaucoup de mes amis qui m'ont demandé d'investir sur, sur certaines crypto-monnaies. Évidemment, à savoir le Bitcoin parmi tant d'autres, comme Polkadot, comme euh, ADA, AI, euh, Ethereum, etc. Maintenant, mon lieu savoir, est-ce que la conversion bien définie sur le Bitcoin, c'est aussi valable pour toutes les autres, pour, pour toutes les autres crypto-monnaies? non non si si en fait ça dépend c'est crypto-monnaie bon déjà l'autre tax que nous moi que pour mon bitcoin moi c'est ma spécialité mais je sais que soit demain, si Ethereum nous avons une petite petites unités yu ñuy Gwei, genre G W E I tu vois. comment. oui si je vois je vois. tu vois donc euh, après il crypto-monnaie une je xawma mais j'imagine que oui hein euh, dès lors que là il y a la possibilité d'acheter des parties de cette crypto-monnaie là donc amenez divisibilité bon non après nous avons ma jusqu'à 100 millions tu vois d'unité non franchement je sais pas. ok d'accord merci. merci mais je la bëgg poser poser question maintenant à mon tour y a on va dire tu vas t'intéresser à d'autres crypto-monnaies par rapport au bitcoin n'y a que ces critères. Bon, ça dépend si, si marché vraiment. Là, j'ai l'application appelée Apple Sûrement, vous devez, vous devez le connaître. Donc, on m'a hold des fois courbi dans les semaines précédentes. Comment ça, ça s'est évolué pour mon son prédiction. Si je vois, par exemple, que, que de Fawati bah, eu moins 10%, moins 5% à peu près, bon, je pourrais me dire que là, puisque les, les, les, le coût est un peu moindre, peut-être maintenant investir en ayant espérant, en ayant espoir que dans les jours à venir euh, valeur bi dina gën du coup ça me permettra de gagner plus si l'on l'a baser basé pour le moment. ok donc concrètement yo tu vas plus t'intéresser à évolution courbe que derrière genre c'est quoi le projet de ces crypto-monnaies là quoi. Des fois aussi, je me permets bien de, de, voir certaines informations pour voir évolutivité crypto-monnaie à long terme, je veux dire. Comme là, sur Polkadot, qu'à d'autres par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que dans les, bon, je sais pas, dans les mois à venir ou dans les années à venir, y une certaine évolution très fulgurante. du coup, là, je pourrais me dire que ce serait une bonne idée. On commencer à investir sur ça. Euh, voilà, pour les autres, quand même, on si court avec la, la base, quoi. ok ok bien problème du coup euh, en attendant une am ay questions vous poser. je pense que une nañ taxaw ci man ma jox la sama avis un peu sur on va dire le monde des crypto-monnaies tu vois ma leen conseiller nit chaque fois c'est ñu dem si ben site bu de coinmarketcap.com parce que coinmarketcap historiquement ils ont toujours xam été en entre guillemets une référence ci joxé crypto-monnaie tu vois tu as la possibilité à chaque fois dem année par année top 10 sous crypto-monnaie à chaque fois je donne cet exemple là les, quand tu regardes ça de 2000, on va dire 10, 2011 jusqu'à aujourd'hui, Bitcoin, moom sa nekk Après tout le reste, à chaque fois ça change, année après année. Je me rappelle en 2017, deuxième crypto-monnaie c'était Ripple. Tu vois. Nga am une crypto-monnaie, y a une année il y a ci top 10 bi di nga ci ay Lumens, XML, XLM, tu vois. Wala Yenen, yenen crypto-monnaie Les années bini, on va voir des euh, Binance Smart je pense on va voir Ethereum bon Cardano Solana <laughs> ah, dans tous les cas si tu regardes bien projet yooyu nono, ni ci l'en porté si promesse la plupart du temps c'est pas vraiment on va dire dans la philosophie des crypto-monnaies dans la philosophie on va dire de Bitcoin tu vois quand je vois bien Dogecoin sur top 10 ça te montre clairement en fait instant bi là, mon sentiment où nit yi nga xam crypto-monnaie les gens s'intéressent de moins en moins à la technologie bi la ci à philosophie ou projet là on est plus sur un sentiment de ok how to get rich quick comment on nan laa make money rapidement ak crypto-monnaie parce qu'il parce que un un potentiel def plus de 100%, ou le 200%, ou le 300%. wala j'ai vu une chose mooy que ñi nekk ci gannaaw crypto monnaie la plupart du temps ils ont un circuit marketing xam très très huilé yoo xam ne dañuy jaarale seen bopp si si ay groupe Telegram très précis dañuy jaarale seen bopp si ay influenceurs dañuy jaarale seen bopp si ay sites dédié crypto-monnaie très spécifique les sur les réseaux sociaux surtout Twitter Légui de plus en plus aussi je vois Discord gars li def ay au final xam xam ñu de ma crypto-monnaie di nga temps donc nit yi def promotion crypto-monnaie sur tous les réseaux sociaux ñi nga xam ni quand ils voient ça ils se disent ah plus puisque les gens en parlent ça veut dire que c'est intéressant donc ça veut dire que l'ini explosé. explosé. <coughs> pardon donc on a un effet boule de neige Moi plus les gens en parlent plus d'autres gens sont intéressés et au final la plupart du temps soit de mais la il te dira c'est parce que les gens en parlent mais il faut faire attention à ça en matière de finances de marché on appelle très souvent ça anticipation autoréalisatrice parce que tout le monde anticipe un même résultat bah ce résultat va arriver parce que nous, nous ñoom ñoo koy donc bien kii la quoi ben, cercle vicieux entre guillemets mais man li may conseiller ñëpp ñi nga xam ñoo nekk di déglu chaque fois qu'il am on va dire ben, information sur benn crypto dam a xool bu historique de monnaie crypto non, ñan avons créé qu'est-ce qu'ils essaient de réaliser la c'est un objectif Soit les ça va vous permettre en fait une def comparaison entre nous une promesse et peut-être qu'il crypto-monnaie une crypto-monnaie depuis 8 ans 9 ans 10 ans Yohamni. en fait ils résolvent les mêmes problèmes exemple bi may tout le temps Ethereum Ethereum depuis 2014 2015 mon deuxième crypto-monnaie on va dire derrière Bitcoin tout le temps je crée Ethereum avant sax ñuy teg Ethereum sur le marché dañ ko pàccoo entre ñoom temps yi nga xam ne Ethereum ça valait zéro après nag si lañ commencé def marketing bi nit yi di si jënd bi nit yi jëndee alors que par exemple kenn ki pàccoo na am si un million de Ethereum keneen ki dix millions de Ethereum dañoo pàccoo soixante dix millions d' Ethereum entre ñoom donc ñooñu ñëpp instant yi ils sont multimillionnaires <coughs> pardon donc loo si gis gars année après année à chaque fois il leur faut un concept buzz pour que nit yi mën jënd Ethereum dañu commencé par smart contract après ñu dem ci DApps après ñu dem ci DeFi bi ça yi ñu ngi ci NFT mais loo leen gis en 2018 tamit ñu ngi woon ICO chaque fois un concept dafay buzz une année après ñu ci fàtte ko instant bi nii même vous fekkee ay DAPS dApps mais mais n'y a pas encore une DAPS bon, ça a changé du tout au tout le on va dire le le paysage informatique mondial quoi. ICO yi nga xam ben le projet était capable de lever plus de 10 millions de dollars en même pas une heure te loo leen si gis nit yu bëri dañ si perdre man bokk naa si en 2017 bu may doog a dugg si monde bii nii perdre naa sama xaalis ay ICO xam donc loolu laay conseillé nit yi quoi ñu gën a xool on va dire background bi ñu gën a xool fondamentaux yi si projet crypto-monnaie yi quoi xaw ma loo si xalaat Jarvis. Bon, wow, Lyon, je, je, je vois bien que c'est intéressant. Euh, le fait que nous mettons en garde comme ça. Parce que moi, moi <laughs> franchement, les mots de xel moi, ñëw rek aveuglément suivre la tendance, quoi, en gros. Hein, plus bon, les mots c'est comprendre moins que comme on le sent plus il y a d'utilisateurs euh, d'une d'une crypto-monnaie plus il y a une chance que sa valeur augmente donc mon la la tonne suivre etc pour mon pour mën si bénéficier ou et tout